loolu ou wala rek mouvement bii di qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux dara mosquée jumeaux, écoles, prisons, pouponnières et internats. donc yow mi may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51 Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And Dibolente, Barna et le partage de connexion également. Une question d'un journaliste et en ce qui concerne les photographes, vous avez l'occasion de prendre des photos pendant les 5 premières minutes, Nous vous demanderons de ranger vos appareils par la suite sans prendre de photos. Avant de céder la parole aux journalistes, permettez-moi de poser une question au sélectionneur et aux joueurs. Avez-vous une déclaration s'agissant du match de demain Quel est votre ressenti Allez-y. Déclaration surtout euh, on l'a bien, on l'a bien préparé, on est en train de bien le préparer. Depuis euh, le match de la dernière fois, je crois que ça a été plutôt plus de la récupération. Ça a été un match de haute intensité, donc euh, les médecins sont en train de faire leur travail. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. comme le coach l'a dit, tout se passe bien pour le moment. Après le match, on a, on a acté euh, tous les entraînements sur de la récupération. On a préparé aussi le match du Qatar. On sait que que ça va être un match difficile. on l'a bien préparé avec des, le, le, mon travail du staff, donc euh, on sera prêt pour le match de demain. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Euh, c'est Papa Ibrahim du quotidien sur A. Euh, le Sénégal sort d'une défaite. Euh, on se dit que peut-être l'équipe est deux au mur. On est dans l'obligation peut-être de, gagner ce match contre le Qatar, euh, qui va évoluer devant son public. Comment comptez-vous aborder ce match et quel est l'état d'esprit du groupe C'est le groupe euh, vit bien euh, malgré euh, la, défaite. Je crois que dans cette défaite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enseignements. Je crois que le Sénégal n'a pas, été, mauvais. on a tenu tête à l'une des meilleures équipes actuellement du, du monde, classée huitième sur le ranking, sur le ranking FIFA, avec des joueurs de niveau mondial. très satisfait de mes, de joueurs, très fiers de mes joueurs. Effectivement, demain, c'est un match euh, très très important pour les, deux équipes. Vous savez, dans les compétitions de ce, niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre, premier match, comme tu l'as dit, on est, deux au mur sur le, deuxième match. Mais j'ai envie de dire que notre expérience collective et puis euh, euh, d'autres matchs qu'on a eu à, jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence, euh, depuis ce temps que nous sommes là, nous, les avons joués. Donc euh, à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été de mieux. Baïsen, journaliste sénégalais, Sport Inter. Ma question est pour euh, Khalidou Koulibaly. Khalidou, en 2018, vous avez fait une très bonne entrée. Par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Cette année, d'entrée, il y a une défaite face aux Pays-Bas l'équipe jugée la plus forte du groupe. Maintenant, quel est le discours que vous entretenez entre vous Car demain, c'est une finale. Comme vous l'avez dit, après une, euh, une défaite, c'est très difficile de, la digérer le, jour d'après. Mais comme on l'a dit dans le passé, on a gagné le premier match en 2018, on n'a pas réussi à se qualifier. Maintenant, on, a commencé avec une défaite. On est entre guillemets de murs. Mais voilà, c'est là qu'on va voir les, les vrais lions. On sait qu'on est capable de, sur ces deux matchs, jouer deux finales, essayer de prendre six points. On sait que ça va être difficile, mais avant tout, il y a un match contre le Qatar demain qui sera très très difficile. Le pays qui joue à domicile. On sait que on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'une Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Donc, euh, on a attendu impatiemment d'être euh, ici aujourd'hui. Maintenant, on va tout donner sur le terrain demain euh, pour pouvoir, continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais. C'est ça le plus important pour nous, ne pas décevoir notre peuple. Et on va essayer, on va tout donner sur le terrain et ensuite on, va, on va laisser le reste entre les mains de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le comportement et la mentalité des Sénégalais demain sera une mentalité de guerrier. Et on fera tout pour gagner le match. Bonjour, un un au Qatar. La question est la suivante. Est-ce possible que le joueur euh, qui a été forfait la dernière fois va pouvoir euh, jouer demain et Koulibaly Est-ce que vous êtes prêts pour le match de demain oui, euh, on a deux garçons qui sont sortis, que ce soit Abdou Diallo, que ce soit Chirou Kouyaté. Abdou a repris les entraînements hier, il se, sent très bien. On a espoir que Kouyaté aussi euh, sera prêt. Please. Bonjour, Khalifa Ouakargei, journaliste freelance Sénégal. Coach, euh, vous considérez ce match, euh, la défaite contre les Pays-Bas comme un bon match. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements qui seront apportés par rapport à l'équipe qui a démarré Merci. On peut perdre un match et que le contenu soit, bon. Euh, je parle du contenu, bien sûr qu'une défaite reste toujours une défaite. Mais au-delà euh, de cette, défaite-là, je crois que euh, le contenu a été bon. J'étais très déçu euh, des garçons parce que je pense que dans ce match-là, nous méritions au moins un, point. Est-ce qu'il y aura un changement Ça, on le, saura demain. Comme vous le savez, nous jouons le pays hôte et que je ne vais pas donner la composition d'équipe dès aujourd'hui ici. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne ferons pas de révolution à, quatre matchs, euh, d'un match aussi important que, celui de demain. Oui. Coach, euh, bonjour, euh, Joanne Rigaud du journal L'équipe. on a vu que qu'Edouard Mendy, qui a été au top très très souvent, très longtemps, traverse peut-être une période un peu plus délicate. On l'a vu sur le premier match, peut-être un peu en difficulté. Est-ce que vous en avez parlé avec lui Comment est-ce que vous le sentez euh, ce moment. Edouard va, bien, c'est un, garçon qui a un mental euh, d'acier. Euh, bien sûr qu'on a, on a eu à discuter avec, avec lui, à échanger avec lui, comme je le fais avec la plupart de nos, de nos, joueurs. Maintenant, les qualités d'Edouard, comme j'ai eu à le dire, ne sont pas à, mettre, en, à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon, effectivement, qui, vit des, qui traverse des moments un petit peu difficiles, mais je n'ai aucun doute, il a entièrement ma confiance, entièrement la confiance de ses coéquipiers, et effectivement, demain, il sera sur le terrain. Bonjour, Olivier Pron, RFI. Je voudrais poser la même question à Liu, à, Kalidou. Vous êtes partenaire de club avec Edouard. J'imagine que vous devez échanger beaucoup depuis trois jours. Comment vous l'avez senti après le match lundi et comment euh, vous le voyez pour demain, vous le sentez pour demain <laughs> Oui, c'est vrai. Euh, on échange beaucoup avec Edouard. On est partenaire de club, mais aussi frère d'armes au Sénégal. Donc, euh, c'est un joueur euh, très important pour nous. Voilà, ça arrive de d'avoir d'avoir des moments comme ça. Mais je pense que les gens en font un peu beaucoup. Je pense qu'Edouard, c'est c'est ce qu'il a à faire. Nous savons ce qu'il a à faire. ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous, nous devons faire on doit mettre tout en sorte pour que l'équipe tourne bien. Il n'y a pas seulement un joueur, c'est la défaite, elle est là, c'est que toute l'équipe est fautive. Il n'y a pas seulement un joueur. Voilà, maintenant on va, on va tout faire pour changer ça. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas trop en faire un, une grande histoire. Je pense qu'Edouard sait ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous avons à faire. Tout le monde doit être compétent dans ses domaines. Et euh, on va essayer de, l'être demain. Ça va être un match difficile. On a besoin vraiment de tout le monde, tous les joueurs, que ce soit les 11 titulaires, même ceux qui sont sur le banc, même ceux qui sont en tribune, même les blessés qui ne sont pas là. Donc euh, je pense que c'est dans l'union qu'on arrivera à, passer ces, obstacles-là. Donc euh, moi je ne m'inquiète pas. Je sais qu'Edouard sortira un grand match demain. et J'espère que voilà, tous les autres coéquipiers et le Sénégal sortira un grand match demain pour pouvoir avoir euh, cette victoire qu'on attend. Hello, um, it's Matt Barlow from the. Matt Barlow de Est-ce que je peux vous poser une question Sadio Mané, est-ce qu'il est en contact avec vous Est-ce qu'il vous envoyer des messages est-ce qu'il est ici au Qatar Est-ce qu'il fait partie de l'effectif même s'il est blessé Oui, bien entendu. Fabio est avec nous aujourd'hui parce qu'il comme s'il était là, parce qu'il nous envoie des messages, il nous envoie des SMS, il prend des nouvelles, il essaie de garder la mentalité et la morale compte, même tu n'est pas ici uniquement au Qatar, mais ça, c'est d'envoyer le message aux joueurs, ce qui est très important pour nous. Nous savons que, que c'est un joueur important pour l'équipe, c'est un bon esprit, une bonne mentalité, et nous en avons besoin. Nous espérons qu'il va pouvoir continuer à nous soutenir parce que c'est un joueur très important et qu'on puisse prendre la parole, tout le monde de toute vie, tous les Sénégal de toute vie. Je je m'entretiens avec lui tous les jours, je suis très ravi. Euh, coach, bonjour, c'est Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Euh, gagner demain, c'est une chose gagner largement, ce serait encore mieux. Mais comment s'y prendre face à l'inefficacité offensive dont vos attaquants ont fait montre euh, lors du premier match Concrètement, merci. Chaque match, est, différent. Donc, euh, ce match de demain sera différent, j'en suis sûr et certain, du match de, contre, le, contre les, Pays-Bas. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'on a de la qualité offensive, en tout cas pour, euh, marquer, pour marquer les buts. Ça, j'en suis, suis sûr et certain. Maintenant, comme je l'ai dit, euh, jouer au football, euh, ce qui est important, c'est être efficace. Et dans cette euh, efficacité, c'est un, état d'esprit, c'est des comportements, c'est être un peu plus tueur devant le but, concrétiser les occasions euh, qu'on se, crée. Et, je sais que demain, on aura la possibilité de pouvoir marquer. Mais ce qui est important d'abord, comme je l'ai dit, c'est de, gagner ce match-là. Alors, est-ce que c'est un score fleuve Je manque pas d'humilité respect pour cette équipe du, Qatar pour pouvoir annoncer ici. Déjà gagner, ce serait bien. Gagner, ça nous fera avancer. Gagner, ça nous donnera encore de l'espoir pour mieux préparer le match contre les l'Équateur. Sonia Hi, journaliste à OXFM. FM, c'est un petit peu la question que j'avais envie de poser, donc je vais essayer de l'orienter euh, autrement. Euh, les champions d'Afrique contre les champions d'Asie, vous avez toutes, euh, tous les deux essuyé des revers dès votre entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence demain Quel est votre meilleur atout par rapport à cette équipe du Qatar Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience dans les compétitions internationales. Est-ce que c'est ça qui va peut-être faire la différence demain Merci coach. L'expérience est, très importante, comme vous le, savez, mais c'est deux champions quand même. Voilà, Asie et, Afrique. Donc vous pouvez imaginer euh, l'importance et, l'intensité qu'il y aura dans ce, dans ce, match-là. Deux équipes qui sont deux au mur, deux équipes qui doivent impérativement empocher euh, des points parce que nous sommes tous les deux à zéro point. Euh, donc effectivement, l'expérience est importante. Des genres de matchs comme ça, comme je le disais, on a eu à les, jouer tout le long de notre, de notre parcours depuis plus de sept ans. Euh, nous avons su les, gérer, nous avons su bien les jouer. Je crois qu'on est, on est très serein et, calme et attendant que le match arrive demain. Merci. Euh, bonjour coach, Bakary Sissé du journal Record. coach, quand on jette un coup d'œil sur les statistiques euh, du dernier match, on voit que le Sénégal a tiré 22 fois dans les, buts contre 14. Euh, à, quel niveau faut il apporter un changement pour permettre à votre équipe d'avoir de l'allant Parce qu'on a vu que Abla dit tout à l'heure, euh, sur le plan offensif, le Sénégal a marqué 3 buts à 4 matchs loolu moo wala rek mouvement bii di qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux dara mosquées, jumeaux, écoles, prisons, poponnières et internats. donc yow mi may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51 Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And Dibolente, Barna, Amna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 immobilier Pourquoi de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay kër ce